mais ne se ressemblent pas. Chers amis auditrices et auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien, le Niger sur Kalangou. Le rendez-vous qui vous accompagne en direct de 11h à midi. À la présentation, je suis votre Olivier Assogwavi, je suis avec Salamatou Kadri. La technique est assurée par l'excellent Séni et c'est Adama Dawaki qui assure l'édition. Bonjour Sally, comment vas-tu Bonjour Olivier, je vais super bien. Et toi Oli, j'espère que tu vas bien ce matin. Tranquille. Alors Oli, devons-nous le menu de notre rendez-vous du jour Sally, pour se poser dans ce rendez-vous, nous aurons le Flash Info. Avec nos invités du jour, nous allons aborder une question scientifique. Il s'agit du récent séminaire des écoles doctorales de l'université Moumouni de Niamey. Avec le euh, professeur Yacouba Bakasso, directeur de l'école doctorale de l'université Moumouni de Niamey et Sylvain Coupé, Cloupé, enseignant, chercheur également et attaché de coopération à l'ambassade de France au Niger. Nous allons aborder l'organisation récente du séminaire des écoles doctorales de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Dans le reportage en région, nous irons à Maradi pour échanger sur la prise en charge des infections respiratoires à dents Issa. Le tout dans une ambiance musicale. Mais avant tout, c'est le Flash Info avec Monsieur Mokhtar. Mokhtar Amadou, bonjour. Bonjour Olivier Asokbavi, bonjour Salamatou, auditrice, auditeur, euh, bonjour. À présent, le flash d'information de l'émission Niger sur Kalangou que nous débutons avec euh, le président de la République Mohamed Bazoum qui a présidé hier à Niamey la cérémonie de la 9e édition du Forum régional africain sur le développement durable. Cette rencontre qui se déroule jusqu'au 3 mars a pour thème central accélérer la reprise inclusive et verte après de multiples crises et la mise en œuvre intégrée et intégrale de l'agenda 2030 pour le développement durable et de l'agenda 2063 de l'Union africaine. L'objectif du forum est de faire progresser la mise en œuvre intégrée du programme 2030 et de l'agenda 2063 qui se renforcent mutuellement. Un mot de santé à présent, l'Institut national de la statistique en collaboration avec le ministère de la Santé publique et avec l'appui de ses partenaires a organisé hier à Niamey une rencontre de dissémination des principaux résultats de l'enquête euh, sur les indicateurs du paludisme au Niger. L'objectif principal de cette enquête est de collecter, analyser et diffuser des indicateurs relatifs à la population et au domaine du paludisme. Les parlementaires de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, réunis à Niamey dans le cadre d'une rencontre délocalisée de l'institution à partir d'hier mardi. Ils cherchent des solutions pour parvenir à une itinérance téléphonique homogène dans la sous-région, indique un communiqué de l'institution. Cette réunion délocalisée du Parlement de la CDAO est organisée par une de ses commissions mixtes sous le thème les télécommunications comme outil d'intégration économique, la nécessité de parvenir à une itinérance homogène dans les États membres de la CDAO. Elle a pour objectif d'analyser les voies et moyens susceptibles de trouver des solutions durables aux problématiques d'itinérance afin de réduire de façon significative le coût des données téléphoniques, des données téléphoniques dans la sous-région ouest africaine. C'est tout pour ce flash d'information de ce mercredi 1er mars 2023. Passez d'agréables moments en compagnie de nos collègues sur l'émission Le Niger sur Kalangou. Merci Mokhtar pour ce flash d'infos qui nous lance pleinement dans le rendez-vous d'aujourd'hui. Amis auditeurs et auditrices, notre aventure radiophonique se poursuit. Oui, nous poursuivons avec nos invités du jour qui nous viennent du monde universitaire. Mais avant de les écouter, faisons un tour en musique du terroir et on revient. Sadou Bori, Soyeya, c'est notre premier choix musical du jour. Maria. titre que vous venez d'écouter, un titre composé et chanté par l'artiste feu Sadoubori, chanteur, compositeur, batteur Sadoubori est né le 28 décembre 1964 à Maradi et il est décédé le 26 juin 2008 au Nigeria à la suite d'un accident de circulation. Sadou Bori a débuté sa carrière musicale dans l'orchestre Goriba de Maradi avant de rejoindre le mythique orchestre Carnaval dirigé par son feu son oncle Feu Hassan Garba, une figure emblématique de la musique moderne nigérienne. Avec l'orchestre Carnaval, ce fut pour Sadoubori la gloire et il porta haut les flambeaux d'une musique nigérienne toujours en quête de son chemin. La disparition de Sadoubori fut une perte pour la culture nigérienne. Effectivement, Olivier, nous poursuivons notre rendez-vous, le Niger sur Kalangou, avec notre premier invité avec qui nous allons échanger sur le récent séminaire des écoles doctorales de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Mais Oli, il y a quelque chose qui me tique dedans. Dis-moi. Les écoles doctorales, c'est quoi concrètement En fait, Sally, les écoles doctorales sont des séries de formations à l'endroit des étudiants en année de doctorat. La semaine passée, les doctorants de l'université Abdou Moumouni de Niamey ont bénéficié d'un séminaire de formation appuyé par l'ambassade de France au Niger. Professeur Bakasso Yakuba est directeur de l'école doctorale de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Avec lui, nous allons aborder les contours de ce séminaire universitaire et les enjeux liés au doctorat nigérien. Monsieur et le professeur Bakasso, quelles sont les utilités de ce séminaire de la semaine passée pour les étudiants ces formations-là, c'est dans le cursus donc de doctorat. Et bon, compte tenu d'un peu des difficultés que l'université traverse actuellement, donc euh, on n'arrive pas euh, véritablement à réaliser ces formations-là euh, qui sont, sont quand même font partie hein, du cursus, hein, comme je l'ai dit tantôt. Et donc, comme euh, bon, on l'a voulu de manière organisée, et puis euh, on est dans un processus de 62 réformes pour pouvoir euh, mener ces formations-là vraiment de manière régulière. Et donc, c'est dans ce cadre de cette formation-là, donc de l'organisation de cette formation, bon, on a sollicité un appui au niveau de, de la coopération française et qui a bien voulu donc nous accompagner pour pouvoir euh, l'organiser sous forme vraiment groupée euh, avec euh, la prise en charge des étudiants puisque c'est une formation en continu. Donc, comme on a pris les étudiants comme ça réunis, donc on a jugé nécessaire donc de quand même leur donner un peu de subsistance durant la période de formation. Qui a duré Non, la formation c'est une semaine. On a commencé du lundi au, au samedi. Quel est l'intérêt pour l'étudiant nigérien de ces activités et surtout pour l'éducation supérieure nigérienne Pour l'étudiant, oui, ça va lui permettre donc de vraiment d'avoir son diplôme, mais eh, aussi de l'avoir vraiment avec de la manière, comme on dit. Parce que c'est quand même des formations, euh, comme j'ai dit, hein, qui sont euh, professionnelles, eh, pédagogiques et de la recherche. Parce que c'est en fait c'est vraiment euh, pour les doctorants puisque ils sont préparés à un métier ou d'enseignant ou de chercheur de haut niveau et donc ces formations sont vraiment nécessaires. Et j'ai souvent dit ça d'ailleurs aux étudiants, même après leur thèse, pour aller, vous êtes responsable quelque part, ou bien vous avez assisté, vous avez représenté votre institution à un atelier, à une conférence, mais vous avez le devoir de faire le feedback. Et ça, c'est des choses aussi qui s'apprennent. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'on leur fait. Savoir vraiment faire un rapport, savoir faire une présentation, euh, une présentation donc euh, des activités auxquelles on a assisté et savoir rédiger ou euh, faire de la documentation par rapport à une activité que vous avez. Surtout que, comme j'ai dit, c'est e-, essentiellement vraiment des gens qui sont formés dans le cadre du métier, donc de la profession enseignant chercheurs ou des chercheurs. Auparavant, les écoles doctorales n'existaient qu'à Niamey. Est-ce que ce statut est toujours là ou bien euh, il y a une, une évolution Si oui, est-ce qu'il y a d'autres universités à l'intérieur du pays qui vont bénéficier des travaux des, euh, dans le cadre des écoles doctorales Au niveau de l'université de Niamey, vous avez trois écoles doctorales. Maintenant, à, l'intérieur, à ma connaissance, vous avez euh, Maradi, l'université de Maradi qui a une école doctorale. Et très récemment, il y a Tifa qui a euh, une école doctorale, mais qui est pratiquement qui c'est sur, sur trois pays. Mm. Donc le Niger, le Tchad, c'est dans leur bassin là, le Tchad, et puis le Nigeria, donc avec euh, l'université de Medouguri. Et pour les autres, je sais pas, c'est à vérifier, je sais mm. pas, pour euh, ma connaissance, ils n'ont pas, mais ils ont sur le, le processus. Parce que dès que vous commencez à avoir la formation, à former des doctorants, donc il est nécessaire d'avoir ces formations doctorales. Là, euh, l'Université de Niamey accueille, euh, bon, dans ce processus, donc, des étudiants des autres universités, notamment Tilaberi, euh, bon, qui s'inscrivent directement sous la coupe donc, des, des écoles doctorales de l'Université de Niamey. Mmh. Et bon, bien d'autres, puisqu'il y a des mécanismes c'est-à-dire qu'un euh, enseignant qui est dans une autre université où il n'y a pas d'école doctorale, mais qui a euh, la qualification d'encadrer, donc un mécanisme, il peut le faire euh, au niveau de l'université Abdoumouni sous des procédures qui sont prévues, ou en co-encadrement, ou un encadrement, mais il faut qu'il dispose donc du titre de professeur associé à l'université, à, à une des facs. Et dans ces conditions, il peut conduire ses travaux lui seul. Ou bien, s'il n'y avait pas ce, statut-là, donc il peut le faire en co-encadrement. C'est-à-dire que, comme le corps doctoral appartient à l'université de Niamey, donc euh, l'encadreur principal doit être de l'université Abdoumouni et lui, il vient en co-encadrement. Merci professeur pour avoir accepté de partager avec nous les contours de ce séminaire. Pour rappel, cette initiative a été appuyée par l'ambassade de France au Niger dans le cadre de son programme de coopération avec euh, l'université Abdou Moumouni de Niamey. Dans la deuxième partie de cette interview sur les écoles doctorales, nous allons échanger avec Sylvain Cloupé, attaché de coopération scientifique à l'ambassade de France au Niger et aussi enseignant-chercheur. Mais Sally, c'est le moment pour nous de faire un tour en méosique. Worth music. Heaven boy on the track. This track is old as old. Yeah, yeah. Chortarai, berinda boxinai ah. Chortarai, no kati bafunai. Chortarai, berinda boxinai ah. Chortarai, no kati bortarai. dans la vie, y'a ami, y'a ennemi, y'a très bon y a mauvais amis Appelé à vivre avec autrui, il veut qu'ils construire il veut pas le détruisent. De chaque nation, c'est ce qu'on a choisi, la courtoisie ou l'hypocrisie. Je vis ma vie, tu fais la jalousie. Oh, Babylonie, c'est pas le cas, de moi et mon ami, on s'éclate au riz, car ici va la vie. Nous on avait depuis compris que l'amitié n'a pas de prix. C'est Dieu qui en prie de nous mettre à l'abri de tous ces mépris maman, je pense que t'as compris. Tu as ta petite amie, ah. embrasse-la si ça te dit. Tu as ton petit chéri, casse-le si ça te dit. N'écris jamais tes amis, à cause de ton chéri. jamais ta famille, mani, j'ai dit, à cause de ta famille. ce ton c'est diga kana haka foi chota haino chota haino oh oh manuga kirmama ni wandiya magani fatai samira jin furo tabira halbanik di sabira ah. haino ginnafa zam sai sabuga kanufa shi fa shifa abokinka abunda dan uwa bai maka shine zai iya yi maka chotoreira shi fa abokinka haddin fula sabura shine za ka mashawara chotoreira shifa fa abokinka abunda dan uwa bai maka shine zai iya yi maka jonta raiha don haka mu duka kamata mu girmama butaka aboki na mini maka jonta raiha ega na se bere to bai aga ni se kai to bai ba ni ga kana bu foi jonta raino ega na se bere to bai aga ni se kai to bai ba ni kana bu foi jonta raino I sai kai ga I know Amis auditrices et auditeurs, Tobey est le titre que vous venez de kiffer, un hit de l'artiste Dare Moussa, alias Dare, un jeune artiste, rappeur, chanteur, compositeur qui a opté pour le rap conscient dans un style afro-hip-hop. Eh bien, chers amis auditrices et auditeurs, je vous confie que cette chanson fait partie des chansons préférées de notre chef d'édition Adama Dawaki. À sa sortie, le clip Tobey a pris d'assaut le mouvement nigérien rap et a propulsé la notion notoriété de l'artiste sur toute l'étendue du territoire national. Oui, Olivier, tant sollicité et aimé par le public nigérien, le titre Tobay est devenu un refrain favori des fans de la musique, surtout auprès des jeunes et adolescents. C'est avec cette belle mélodie que nous passons à la deuxième partie de cet entretien du Niger sur Kalangou. Sylvain Cloupé est attaché de coopération à l'ambassade de France au Niger. Quels sont les objectifs de cet appui de l'ambassade de France au Niger à l'université Moumouni de Niamey C'est quand même de, faire en sorte que ces étudiants euh, soient dans de bonnes conditions, évidemment, pour suivre euh, leur thèse, pour la préparer, et soient aussi dans de bonnes conditions pour euh, s'insérer professionnellement par la suite. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des modules doctoraux complémentaires, au-delà de leur thématique et de leur thème de recherche, où on va venir mettre des compétences complémentaires qui peuvent être importantes pour la thèse, comme par exemple la recherche bibliographique, euh, la présentation, euh, la rédaction d'articles scientifiques, euh, la réalisation de posters, faire des présentations scientifiques, puisque ça fait partie, je veux dire, on se rend compte dans tous les congrès du monde entier, quelle que soit votre nationalité, on doit venir présenter ses travaux et échanger sur les thématiques de recherche avec sa communauté scientifique. Est-ce que, a priori, les écoles doctorales, elles sont constituées comment on les entend Est-ce par filière, par euh, spécialisation, comment elles sont euh, constituées ces écoles doctorales Qui sont ces jeunes doctorants ou bien qui sont ces doctorants qui bénéficient des travaux de l'école doctorale et comment ont-ils été sélectionnés Est-ce une proposition de l'université Abdou ou bien est-ce un formulaire ouvert à tout Aspirant de postuler. Comment ça s'est fait la sélection pour ces bénéficiaires D'abord, c'est pas du tout nous hein, qui, qui, avons euh, ce process, mais c'est l'université. Mais en fait, euh, ça concerne tous les docteurs qui sont inscrits, inscrits dans une des trois écoles doctorales. C'est-à-dire que, comme tout étudiant, comme tout un chacun, euh, il faut être inscrit en préparation de doctorat, donc inscrit en thèse. Euh, et alors après, bah, c'est le, collège doctoral et donc les trois écoles doctorales qui choisissent euh, non pas euh, quel étudiant, quel, quel docteur doctorant bénéficie, mais quelle année parce qu'en fait, un, doctorat, souvent, c'est minimum trois ans. Après, c'est des cycles de pédagogie, c'est-à-dire que la première année, on peut suivre tel module, la deuxième année, tel autre, la troisième année, tel autre, etc. Dans le cas de, de la semaine dernière, je sais plus si c'est les premières ou les deuxièmes années, mais euh, voilà, c'est forcément, on cible à un moment. Alors, plus logique, c'est la première année aussi, mais euh, il y avait peut-être aussi la, la, deuxième année. Et nous, en fait, on, enfin nous, notre appui sur ce, ce séminaire s'inscrit aussi dans un cursus où il y a d'autres événements euh, qui sont aussi proposés par, euh, par l'école doctorale. Donc au niveau de l'ambassade, on a suivi, euh, on a soutenu qu'un seul euh, qu'un seul cursus, voilà, ou qu'un seul, qu'une seule formation. Donc c'est ce séminaire, euh, c'est sachant que de toute façon le collège propose aussi d'autres, d'autres formations. Je pense que ces questions ont permis à nos auditeurs et auditrices de comprendre le fondement des écoles doctorales, comment elle fonctionne et surtout à qui elle s'adresse. Avez-vous quelque chose à ajouter Alors, pas forcément directement comme ça, peut-être expliquer que euh, c'est extrêmement important que les écoles euh, puissent se développer parce qu'il en va de la qualité euh, évidemment de, la formation des, doctorants, euh, et, vraiment, nous, on, est très heureux euh, au niveau de l'ambassade euh, d'avoir pu renouer le contact et d'avoir pu soutenir cette formation à l'université Abdou Moumouni. Ça a été un processus de dialogue avec les trois directeurs des, des, trois écoles doctorales que, que, je salue chaleureusement parce que on s'est vu régulièrement avec également aussi le représentant de l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD ici au Niger. et et c'était chaleureux de, pouvoir discuter en tant qu'en ensemble en tant tous en tant que chercheurs quoi voilà euh, au-delà des, aspects institutionnels euh, etc donc euh, c'était juste ça moi enfin ce que je retiens un peu de de cette expérience et ça a permis voilà simplement de discuter avec nos collègues et d'essayer de, suivre et de soutenir tout simplement les besoins de, de l'école doctorale voilà et donc on essaye de s'inscrire aussi dans dans de nouveaux projets tout simplement Merci, professeur Kouloupé, chers amis auditrices et auditeurs. Nous poursuivons notre rendez-vous avec la rubrique hebdomadaire. Et pour ce mercredi, notre reporter Asumana China nous propose un sujet sur l'environnement. Dans un entretien accordé par Dr Seydou Keita, ingénieur, géologue, environnementaliste, ils abordent la question des conditions d'exploitabilité et de fermeture d'une mine. Un projet minier, c'est une activité qui est très chère, c'est une activité qui a beaucoup de risques, des risques financiers parce qu'on peut investir beaucoup d'argent dans un projet sans pour autant en arriver à découvrir des jugements exploitables. Donc une fois qu'une compagnie minière est dans un pays, il faudrait créer les conditions d'attractivité de manière que la compagnie puisse rester et qu'elle puisse développer ses projets dans une transparence euh, reconnue de manière à ce que l'on puisse euh, encourager cette compagnie. Une fois la phase d'exploration terminée, il y a la phase de développement et il y a la phase aussi d'exploitation. C'est là où justement l'État peut intervenir euh, avec aussi la création d'emplois durables pour beaucoup de personnes et également les opportunités qui peuvent être offertes en ce qui concerne l'employabilité et en ce qui concerne le contenu local pour tout ce qui concerne les activités connexes et reliées à l'activité. Donc au jour d'aujourd'hui, nous avons besoin de renforcer nos outils de gouvernance. C'est le code minier, c'est également les conventions minières et faire en sorte qu'une mine qui tourne puisse générer des activités génératrices de revenus, mais également faire en sorte que ça puisse être un levier de développement pour les communes dans lesquelles les mines sont implantées. Donc nous n'insisterons jamais assez sur le fait qu'une mine, c'est une ressource non renouvelable. Donc il faut faire en sorte que la durabilité du secteur minier s'appuie sur la durabilité des bénéfices que les populations locales peuvent tirer, mais également sur les importants euh, revenus que les populations locales peuvent tirer de cette activité une fois que l'opération va s'arrêter. Donc il faut éviter de créer la dépendance entre les populations locales et la compagnie minière, mais faire en sorte que la compagnie minière ou l'exploitation minière soit un levier pour le développement post-fermeture, de manière à ce que les populations puissent se développer et aussi euh, faire face à des activités de développement sans que la mine ne soit présente, mais sur la base justement des revenus générés par la mine. Il faut qu'elle respecte aussi les normes environnementales. Absolument, euh, une mine qui s'ouvre obligatoirement a besoin de faire une étude d'impact environnemental et social. Euh, et cette étude euh, met en consultation différents acteurs que sont les populations, que sont les services techniques. Et c'est sur la base justement des recommandations contenues dans le plan de gestion environnementale et sociale que la compagnie minière a autorisation pour commencer l'exploitation. Mais au fil du temps, euh, chaque fois que la mine opère, euh, il y a aussi le suivi qui se fait, le suivi environnemental, le suivi de la mise en œuvre du plan de gestion environnementale, mais le respect des normes environnementales de réhabilitation, de fermeture, mais faire en sorte que la mine ne soit pas un danger ni un facteur de risque. Donc euh, les aspects environnementaux touchent non seulement la préservation du milieu biophysique, l'air, l'eau, les ressources hydrauliques, la faune, la flore, mais également la santé des populations qui vivent autour. Donc une mine peut être un danger si ces aspects de santé ne sont pas bel et bien pris en charge. Donc nous pensons que la maîtrise euh, de, des questions de santé constitue essentiellement un facteur pour le développement du cercle. Une mine qui ferme doit laisser un environnement sain Absolument, absolument. Une mine qui ferme doit prévoir euh, de laisser un environnement assaini, un environnement écologiquement euh, viable, mais un environnement qui peut aussi être utilisé par les autres utilisateurs du foncier, mais également par d'autres acteurs. Cela veut dire quoi Une mine, on ne peut pas finir et remettre euh, l'environnement en l'état initial. On peut réhabiliter. Cette réhabilitation, ça concerne quoi C'est créer les conditions de manière que l'on puisse valoriser les sols, les sous-sols et les ressources hydrauliques. Donc euh, tout ça fait partie aussi euh, des engagements que les compagnies minières doivent tenir mais encore que les sociétés au travail doivent travailler sous le contrôle des services techniques. Donc les services techniques doivent avoir les moyens qu'il faut, les, moyens techniques, les moyens financiers, les moyens logistiques pour aller regarder ce que les miniers font sur le terrain de manière à ce que eux puissent constituer une base de données sur la viabilité des aspects environnementaux, des aspects de santé et de développement dans un site minier donné. Donc euh, ceci interpelle euh, nos autorités de manière à donner beaucoup plus euh, de moyens techniques, de moyens financiers et renforcer les capacités humaines des agents qui travaillent dans les services techniques concernés, de manière à ce qu'un suivi et une surveillance puissent se faire sur les différents sites miniers en exploitation. Merci, docteur Seydou et à Soumana Sina de nous avoir édifiés sur ces questions de mines et environnement. Le Niger sur Kalangou se poursuit, chers amis auditrices et auditeurs. Nous allons voyager en musique et nous partons dans la capitale économique du Niger, Maradi, le fief, Maradi la base. Maradi où nous retrouvons Papa Yaro qui nous chante Salama. sallama 'yan ƙasa da 'yan gari duk gaba dai gani babba yaro na zo fage da taro etuwar min hito masha Allah fage na aiki Allah ke mu mugata wasa mun ka zo ba mu zo gumi ba mu yi masa musa da zumunta ta mu je etuwa eh, Allah ke yi ba mutum ba hasada ga mai rabo ashe taki ce masu zammu da karuwa Allah ka ɗaukaka su sakaran da Allah ya nuwa sai ya yi tara wanda ba ya sammu haƙuri za ya yi haƙuri za ya yi don sa ido sana'a banza. komin gudun zomo ba zai kure dawa ba komin nisan gari akwai na gaban shi Allah ya yarda yanzu da mu ake yi a da'a ta uwaye ita ke waraka mu maradi gari na kaga ina da gata gani kofar fadar masarautar katsina mare mawa sultan alzaki baba Allah ya ƙara maka lafiya ya ja zamaninka gani ƙofar fadar masarautar gobi sultan abdu bala marafa sannu baba Allah ya ƙara maka lafiya ya ja ka. Salam, chers auditeurs, est le titre de ce morceau que vous venez d'écouter. Un titre produit par euh, l'orchestre Carnaval de Maradi, dirigé par l'artiste Papa Yaro. Un artiste complet qui chante sur euh, divers thèmes Olivier, parfois sur la paix, l'unité, la cohésion sociale et parfois sur l'amour aussi. Et bien sûr, et là, là où la chanson a commencé à être douce, il nous a coupé l'appétit. Et puisque nous sommes déjà à Maradi, nous allons retrouver notre correspondant sur place Mohamed Maman qui nous propose un sujet sur la santé de l'enfant. Et eh oui, au lieu de la poussière, de la brume et le froid sont des conditions climatiques qui mettent les organismes à rude épreuve, surtout chez les enfants. Ces conditions favorisent les infections respiratoires. Au centre de santé de Danissa, ces infections respiratoires simples sont prises en charge avec efficacité. C'est le constat qu'a fait Mohamed Maman qui s'est rendu dans ce centre de santé. suivant son reportage. causées par des bactéries ou par des virus, les infections respiratoires peuvent être simples ou compliquées. Au centre de santé intégrée de c'est plutôt les cas simples qui sont pris en charge. Pour Dr Issa Garbaumaru, le responsable du centre, rien qu'en décembre 2022, c'est plus de 1000 cas qui ont été enregistrés. Les plus fréquentes sont au niveau des infections respiratoires hautes, c'est la grippe et le rhume. Et au niveau des infections respiratoires basses, c'est la pneumonie les bronchites. Généralement, ces infections respiratoires se manifestent par une inflammation des bronches et des bronchites qui se traduit par une toux sèche au début, parfois prolongée, une expectoration muqueuse et une fièvre inconstante. Ici, vraiment, la fréquentation, elle va jusqu'à 100% De nos admissions sont dû à des infections respiratoires. En termes de chiffres, peut-être si on prend le mois de décembre, euh, les pneumonies, on avait jusqu'à 1463 enfants. Et maintenant, les pneumonies graves, ça va dans les 150 comme ça. En ce vendredi matin, c'est l'état de santé de la petite Nana, âgée de 8 mois, qui préoccupe sa maman, Jamila Salissou. Elle l'a amenée au CECI pour une meilleure prise en charge. C'est ma petite fille que j'ai amenée qui souffre de rhume et de boutons dans la bouche malgré qu'elle a déjà été traitée. Cela fait quelques jours qu'elle est malade et on m'a conseillé de lui donner du miel combiné au citron. Mais j'ai refusé en préférant l'amener au centre de santé parce que le traitement est plus efficace. Elle a 8 mois, elle a de la fièvre et un bruit bizarre sort de sa poitrine quand elle respire ce qui m'a même motivé à venir au centre de santé. Pour Dr Issa Garba la prise en charge de ce genre de cas est très simple si la maman suit à la lettre les instructions des infirmiers. Bon, la prise en charge vraiment, c'est la molécule la plus prescrite et l'amoxyline plus euh, l'acide clavulanique dans les 62,5% des cas suivi de la ciprofloxacine dans les 20,8% des cas. Le traitement est prescrit pendant une durée de 10 à 15 jours dans 66,6% des cas et pendant 5 à 7 jours dans 12,5% des cas. En cette période de froid, les enfants sont les plus touchés par ces infections respiratoires du fait de leur organisme très fragile. Dr Issa Garba appelle les parents donc à faire de la prévention leur souci de tous les jours faut savoir aussi qu'il y a la vaccination. N'achez chez les enfants aussi, voyez, il y a la vaccination contre cette pneumonie. Et maintenant aussi, surtout, la protection contre le froid. Dès qu'on voit les signes, autant amener l'enfant très tôt au lieu de que l'infection s'aggrave. Ceci de Daïssa, les cas graves ont diminué drastiquement. Cependant, force de reconnaître que la sensibilisation doit être renforcée pour amener les parents à bien protéger leurs enfants, car la première prévention est à leur niveau. Notre correspondant est en ligne, Mohamed Maman. Bonjour. Bonjour. Mohamed, dans cette période de poussière, y a-t-il une affluence au niveau des pharmacies Effectivement, il euh, y, a, de l'affluence parce que, euh, comme vous l'avez euh, bien écouté dans ce reportage, les enfants souffrent beaucoup en cette période. Et évidemment, quand les parents euh, constatent cela, ils se précipitent pour amener les enfants dans les centres de santé. Effectivement, il y a de l'affluence. Bon, à part euh, les infections pulmonaires, les services de santé de à accueillent il d'autres pathologies euh, Bien sûr, aujourd'hui c'est le palu aussi. Le palu est là parce que le palu est devenu une maladie qui est présente ou bien qui est présente en tout le temps. Il y a le palu. Euh, heureusement encore, ça va. Euh, pour euh, quand nous prenons, par exemple, pour la, rougeole, il y a, les vaccins aujourd'hui qui, en tout cas, aident les parents à, faire face à cette maladie. Mais aujourd'hui, le plus, en tout cas, la maladie la plus constatée, c'est les infections respiratoires chez les enfants, à cause, bien sûr, de l'environnement, le froid, la poussière, et voilà. Et Monsieur Mohamed, le traitement de ce sujet t'a inspiré à faire euh, d'autres reportages en allant dans le même sens Effectivement, je compte aller retourner à Dan Issa parce que vous savez que Maradi, euh, Issa, euh, c'est le département de Madanofa et ce département fait face euh, surtout à des cas de malnutrition. Donc j'ai en tout cas l'objectif de retourner là-bas parce que nous sommes dans cette période de soudure où on va constater beaucoup plus de, cas de malnutrition, euh, autrement dit, euh, beaucoup plus de, maladies chez ces enfants euh, malnutris. D'accord, merci beaucoup Mohamed Maman. Je vous en prie. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Une fois encore, merci à Mohamed Maman. Nous profitons de Mohamed Maman justement pour dire bah, bon début de mois à tous nos auditeurs et auditrices. Surtout, nous les souhaitons tout le bonheur du monde et meilleure santé aux parents qui nous écoutent. Et s'il y a une discipline qui nous prévient de la maladie, c'est le sport. C'est le moment d'accueillir notre chroniqueur sportif, Soumana Amadou, qui est avec nous. Soumana, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Soumana. Et du 24 au 26 février a eu lieu le changement, le championnat national de pétanque ici à Niamey qui a regroupé plusieurs amateurs du lancer de boules venus de toutes les huit régions du Niger. Et Monsieur Soumana, qu'avez-vous trouvé de particularité à l'issue de ce championnat Eh bien, la pétanque, comme vous le savez, est habituellement pratiquée par les hommes ici au Niger. Cette fois-ci, nous avons rencontré une jeune lycéenne passionnée de cette discipline. Il s'agit de Frera Saleh. Notre reporter Gourouza Hassoumi était à sa rencontre. Elle explique ses motivations pour la pratique de la discipline. Suivons plutôt. La pétanque, c'est un jeu intéressant que j'aime. Un ami qui m'a amené, même euh, ici à l'Estade, quand je venais au club d'athlétisme, je voyais les gens jouer ici à Sadas au niveau de l'Académie des Arts et ça m'a beaucoup plu. Et voilà, l'autre jour, je lui ai demandé qu'est-ce qu'ils viennent faire à Kouartagui. Il m'avait dit non, ils viennent au club de pétanque. Je dis bon, je aller visiter. J'étais là-bas dans une soirée, on a parlé. Le lendemain, j'ai commençais à venir jouer. Et à la maison, t'a dit rien Ouais, comme euh, papa n'est pas là, c'est maman qui est là. Je lui ai informé depuis ce jour-là. Elle m'avait dit pas de souci. Parmi tous ces hommes-là, moi, ça me dérange pas puisque depuis mon existence, j'ai seulement des camarades garçons. Donc, voyons, on se respecte, on se salue. puis, euh. <laughs> voilà, le respect englobe tout. Et tu es à quoi Ouais, je suis à l'école, je suis en première D à 16 Chaque fois, je fais appel aux filles de venir jouer. Le jeu là, c'est pas seulement pour les garçons. Et c'est nous qui parlons toujours de l'égalité des sexes. Eh bien, Soumana, la Super Ligue de football se poursuit avec euh, la 12 journée et vous avez le dernier classement. Eh bien, à la date du 28 février, c'est l'USGN, l'équipe de la gendarmerie nationale, qui est en tête avec 23 points, suivi de l'AS Police 21 points, l'AS Fan à la troisième place avec 20 points. Enfin, en bas du classement, le Jean FC de Zender avec 8 points. À noter que certaines équipes n'ont pas encore joué leur douzième match. Merci beaucoup Soumana Amadou pour ce moment de sport. On te retrouve euh, dans la semaine ou peut-être la semaine prochaine. Merci, oui, la semaine prochaine. allez, bon début de semaine et bon début de mois à toi. Ok, ciao, ciao. Bye bye. Chers amis auditrices et auditeurs. Eh bien, du sport, nous allons découvrir notre étoile du jour et puis nous allons à des kilomètres de Niamey, destination Ngingimi. Et notre correspondant sur place nous propose le portrait de Falmata. Falmata Modu, femme âgée de 39 ans, mariée et mère de 7 enfants demeurant ici à Ningimi, a comme activité génératrice de revenus la fabrication et la vente de briques. Elle explique comment elle s'est intéressée à ces métiers. A nan ban da karfin da in siya kaya in zamna a kasuwa in yi kasuwanci. Akwai wanda ya zo ya bani shawara yake gonan ki wannan zai yi aikin birgi. Tun da ya faɗi mini wannan shawara nake ba aikin maza ba ne kawai na sa kaina. Na je ma wani na same shi nake gashi gashi gashi ne zan kama maka da kaza kaza kaza ka zo mu yi kashi maraba. Shi ma ya yarda da ya yarda na zo na kama aikina ina aikina ina aikina mu ya ida sai ne kashi biyu shi ya ɗauki kashi ɗaya muna yi haka muna yi haka har ya na kama jikina daga shi da na kama jikina yana fudda mini zan sallame shi birgi dubu daya zan ba shi jika ashirin ni kuma zan je in da shi jika sittin masha Allah dai na kama kaina ban ga laifin shi ba har yanzu ma ina ci gaba da shi ban bar shi ba na ji daɗin shi da aikin birgi ban ci aikin maza ba sana'a wannan ba namiji bane ba na mace bane a riban sana'a wannan masha Allah na gode ma Allah ko mai gida na baya gari ma ni dai ban damu da komi ba na kama kaina ina gyara jikina ina gyara gidana ina rike da yara na basu da matsalan komi ni ma ban da matsalan komi yanda baban su yana na haka na kama jikina kuma yana ci gaba ba abun da ya rage mini To matsaloli wannan mutane suna ke mini wannan harakan maza ne ya sa kai ka shiga ban ga laifin shi ban ga matsalan shi bane kawai ina ci gaba da aiki na saboda in taimaka ma yara na kuma in taimaka ma kaina mai gidana da yana nan ma ba ruwa na ba abun da zan tambaye shi harakan gaba na duk ni ma kaina nake ma aikin kaina Muhammadu Malam Goni NDC de don donne ses appréciations sur tout ce que Falmata fait comme activité Gaskiya na ga kokarin Falmata matuka ta yanda ba mu yi tsammani ba ma irin abun mace za ta yi yau falmata mace ce wadda gashi nan tana buga birgi ta saida kuma birgi ne wanda birgin nan ana iya masallaci da su ana iya shaguna da gidaje da sauransu kuma yanzu misali irin falmata ta nuna ma mata ma cewa duk abin da maza suna iya yi inda aiki ne mata ma suna iya yi kenan ni gaskiya babu abin da zan ce illa Allah ya kama mata kuma Allah ya sa sauran mata uwai mu su ma gani yadda falmata take yi su rinka amfani da su ta wasu hanyoyi daban ta sarrafa wasu abubuwa na cigaba gaskiya ta da maza cutar su yana tafiya daidai saboda ganin alama man ka ganta ba ta da matsala da maza tunda suna aiki su tare wani lokaci sai ka gani ba maida ta ita a ah, mace ce a gefe ko a ita ta ce wayannan maza ne a gefe da sauransu wannan duka babu a yanayin aikinta Falmata lance un appel aux femmes de ne pas rester sans activité génératrice de revenus pour une meilleure condition de vie. sauran mata abin da zan faɗi musu su tashi su kama jikinsu su yi aikinsu komi namijin da sana'an da ya mace maki maza ta yi gashi na aikin birgi wannan ba na mace ba ne amma da na sa kai na gashi nan masha Allah na gode ma Allah ban ga laifin shi ba ne ina ta ki gaba mata in uwa na kar ku tsaya ma namiji ka bani kaza ka bani kaza kin tashi ta a biki sai kin roƙi miji wani uniform ki ya fita sai kin roƙi miji har za ki fita akan shi amma in kina kame da jikinki kina yi aikin sana'an ki kina komin ki Selon Falmata il n'y a pas un travail uniquement destiné aux hommes. L'essentiel, c'est de pouvoir satisfaire ses besoins. Merci Abdoulaye Mané pour ce portrait de femme inspirante, un portrait qui nous met plein dans le mois de mars, le mois de la femme, le mois des femmes. Amis auditrices et auditeurs, nous allons enchaîner en musique et les amoureux du rap vont aimer ce qu'on va leur proposer. Ça, j'en suis sûr. Ah ouais, Oli, nous allons encore une fois de plus souffler en musique avec un groupe d'artistes nigériens qui nous chantent l'amour de la patrie, la passion du travail. Bien fait, on écoute. ça. mon frère, jour je reprends. Vas-y, casse-toi. Avec tous ces diplômes de ta vie, mais qu'est-ce que tu fais, toi Comment faire du blé ici, y a pas de taf à l'horizon. Enfin, du blé, j'ai pas choisi, ils m'ont condamné. Trop de promesses pour être élu. À la fin, on a que dalle. Toujours dans le ventre frangé, je représente ma patrie. Ma dans l'esprit, Enfant de la patrie est une chanson qui traverse le temps et fait l'éloge du travail bien fait. Le travail bien fait, la clé du développement. À travers cette belle mélodie, chers amis auditrices et auditeurs, nous allons retrouver les femmes du studio Kalangou pour eh le loti, n'est-ce eh, pas Sali Ouais, ouais, Olivier, le loti d'aujourd'hui des femmes du studio Kalangou parle de la préférence du sexe de l'enfant à la naissance. Il n'est pas rare ici au Niger de constater cela chez certains parents lorsqu'on leur annonce la venue d'un nouveau-né. Recha Arimi et Samira Rouafi nous édifient. Lotti, Lotti, Lotti. Así vamos, Reyyan. Barka madam. barka madam zuwai gornaran gabi zuwai gornaran gabi zuwai gornaran gabi hamsa hamsa ni sigi mano hai hamsa he hmm. malhana ise kiro ai gode la sabu kuku foyen rano la sabu koi ne wani wasu bogi ga hamba no sifa masidin kan gunda no goniga ni hima ga moga haikul kan hingin bin saga ifon mbuno gogin bin saga ya ci cinowo hmm. ni di son dai loktor kwara kayan tanoya akwai gite ecography loktora anaisi kan izo ibarai na gudu a ah, masha allah wani wo gwamni nome irkwai beri izo ibarai su kwai ne irkwai beri wallahi ai kyora ai gocin sin gafa bai matakan cinno ai binora ai gaba imine hunkuna ai gwanda wai borai ze amman kai to ifo dai no gogin bina sarya ya cinu wal mako ni ne sin da bani hmm. ni bai kan hadde aina gundowo hay izuwai bartaken tanoya ne ai kurinya mu goga batuno ai mudu iza alboraise son ai sibabai matukan ai kwai sanno go kiyasida sanne kulka gani go siga faham da hai kulnu ha <laughs> ni bai ai fuko yo ne kala hadda ai aina wai boraiza hay hino kwaine kula ga tai sai wacce wadin ma ga sai ni di asino dai turi kanga safar labo wara kangai manhan yadin mono ai wani beri ya marda kan igihin ga sai baban di kanga iza alborize amma ni di hankan irkoite hey ni ga bani min bonu wi nin ko ciya kun <laughs> haba haba ni lakkal kanan di irkoise ha na me he ni sibogi. ko ni wani agihin ga kan de masala ni wani gundawo ba kwene dinga ba emci ni sai haifo ni kunye sanni yan daina ga te daman a gwandin ga niyya kan ga wanda fo sambu ifo no ni ba gane da niyya hagino kan loktar be gane la sabu te yabo kwene ga ba banin faham da haifo alborano ga te sabili kan ga nan wai boga mu du izi wai boraize wal iza alboraize ya dinga musu bani lakkal tunandi hayai wodu maga nima duba fo gona ki him gidi da tali ingano mantinin wala kiro ome ga ni ci kwai ne da alborno walwai ze box bai bon kanga te iza albarkante a yi gisalan ni kunyi se tinai no ase amin lakkalai kanandi hayai wodimi bon walmo bogai kan so bai gisalan gane wai borano gonda tali dadu wai ze walmo dadu ze bobo kironiki cim dimbai matukan ana alboreze duyan dan ingi binara wadin no goganan bumbo inda wani gora goga sandi girbi bandayo wai boreze wala alboraisi ayya ikula fo aido aiga barai mancin da yana fayanka fayanka da hira madalla wani ingnoti haira gwaye sonni lakal kanan di hawo kai nufu <laughs> aya kulga bisinima ai sabu ce koyya <laughs> irkon tai hannu Merci aux femmes du studio Kalongu pour les conseils à Loti. Avec notre chroniqueur Moussa Hassan, nous allons retrouver l'élément linguistique. Et le mot du jour est le mot bénévolat. En fait, le mot bénévolat est défini comme une activité non rétribuée et librement choisie qui s'exerce en général au sein d'une institution sans but lucratif, donc association, ONG, syndicat ou structure publique. Celui ou celle qui s'adonne à ce travail à appel est appelé le bénévole. C'est donc euh, l'action d'une personne qui s'engage librement sur son temps pour mener une action non rémunérée en direction d'autrui ou une cause ou d'un intérêt collectif. Le domaine d'activité le plus connu de ces bénévoles, c'est l'humanitaire et le social, mais on peut aussi l'exercer dans le secteur de l'éducation, la santé, l'environnement, la culture ou le sport, mais à ne pas confondre avec le volontaire. Donc, c'est quoi la différence entre un bénévole et un volontaire En tant que bénévole, le volontaire, lui, choisit la cause, l'investissement et le temps qu'il va consacrer à ce travail. Donc, tu peux décider de mettre un terme à ton engagement sans procédure ni dédommagement. Quand tu es bénévole Quand on est volontaire. ok. Donc, c'est un engagement contractuel entre la personne et la structure chargée d'exécuter le travail pour lequel tu t'engages. Ok. Et le mot bénévolat en un mot en germain Moussa Hassan. En germain on peut dire bénévole bon dans fils billahi goira yankan al umma se wala sanni Merci beaucoup Moussa Hassan. Chers amis auditrices et auditeurs, nous pensons et nous croyons vraiment que bah, cette euh, rubrique vous a permis de comprendre c'est quoi le mot bénévolat et surtout la différence entre un bénévole et un volontaire. C'est le moment de passer nos micros chez vous pour connecter vos salutations, vos remarques et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez nous passer des salutations via le numéro WhatsApp 82 89 64. Pour le moment, let's go. On écoute nos auditrices et auditeurs. lili aqaali aqsira dhaqakaalwanti qasri fuudhana saadargani studio kalangu arwa garaasanaani silawuntaagginin balleonta madrak balle mardu shirinasawan aquuraadi igaraasana wulle akaaljintoose atugurwa isalaani studio kalangu kuma tafrega tuuta lambanasan waneertela tuguro isalanasan arwa studio kalangu waa jutoosaani sheer nigaaraw isalaani mignat yalaata feqan saa ayuba alxaaji biyaanu anan garin ciro maasha allah studio studio kalango masha Allah muna barka samun kalangun kullum kullum mutane suna ce mana suna jin daɗin wannan shirye-shirye kenan shi yanzu wanga studio kalangu mutane suna ba da goyon baya ɗari bisa ɗari ka a karfafa shi wallahi yana burgewa studio kalangu ba ni kaɗai ba duk mutane su dinga yin deplace su zo cikin jahohi da ƙauye ga auditor nasu haka na yana da daɗi mana Muhammadu Ibrahim. Tabbas ina da daga cikin masu sauraron Studio kalangu musamman ma shirin su wanda suka kara lokaci na sahi wannan yana kayatar da musu. Domin a Studio kalangu ne muke jin labaran gaskiya ba jite-jite ba muna jin kaman ka ji wani labari a cikin gari ko baka yarda da shi ba in Studio kalangu ta faɗi wanda ta ce an yi wani ba gari kaza ko gashi gashi abin da ta faru a cikin kasa muna gane gaskiyar bayani a Studio kalangu Ina gaida Je m'appelle euh, Ali Adam, je suis à Ngingim et je fais partie parmi euh, de fidèles auditeurs de l'Istudio Kalangu. Vraiment, nous apprécions leur programme qui diffuse euh, par les différentes langues, surtout les forums, les informations qu'on écoute par les différentes langues en français et en Hausa. Mais nous, ici dans la région de Difa, plus précisément ici à Ngingimi, il y a des meilleurs auditeurs ici des studios Kalangu, mais malheureusement, certaines de nos populations n'entendent pas le français ou bien le Hausa. Donc, euh, si possible, nos réclamations par rapport à Kalangu, c'est d'insérer la langue euh, au moins même si c'est Kanori ou bien Toubou ici à Nguingime pour que les auditeurs puissent bien écouter tous les programmes qui se passe à l'Istudio Kalangu. Hussein Ibrahim a anan cikin garin Egime nake. Muna cikin masu sauraron radio ga Kalangu. Muna sauraron shi mu yana birge mu sosai muna cikin yan cikin wanda suke sauraro ko da yaushe ko da su erkin da ake sa duk. A Hausa da Faransa yake birge mu. Eh, ina ga da na. ina ga da Shaf Haru, ina ga da sai Inisa Santal Suleiman. Bah, merci beaucoup à tous nos auditeurs et auditrices. Ça fait chaud au cœur. Je pense que la rédaction du studio Kalangu est à l'écoute pour votre doléance en Toubou et en Kanouri. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Amis auditeurs et auditrices, nous sommes à la fin de notre aventure radiophonique. Le Niger sur Kalangou de ce jour prend fin, mais nous ne vous laisserons pas sans pour autant avoir un aperçu sur l'actualité de ce soir. Nafisa Adamou est avec nous. Nafisa, bonjour. Bonjour Salamoutou, bonjour Olivier. Salut Nafi. Alors, euh, de quoi est composé bah, le menu du soir pour le menu du soir, l'édition donc d'information de 17h parlera entre autres de la saisie de drogue qui a eu lieu dans la nuit du lundi 27 février au poste de police frontalier de sabon dans de la commune de Tununga, département de Gaïa à quelques kilomètres du Nigeria. Autre actualité qui sera abordée, c'est le déplacement ce matin de la secrétaire générale adjointe des Nations Unies Amine Mohamed à l'école Pays-Bas de Niamey, une école qui avait été victime d'incendie en 2021 occasionnant la mort d'une vingtaine d'élèves enfants. Enfin, le magazine du jour met l'accent sur le maintien de la cohésion sociale entre les différentes communautés du département de Banquilaré région de Tilabiri. Soyez donc à l'écoute à 17h. Bah, merci, on te retrouve euh, en pleine forme à 17h. Allez, bon début de journée à toi et surtout bon début de mois. C'est le mois de mars. Hein. Oui, oui, merci à vous de Merci beaucoup. auditrices et auditeurs, nous sommes à la fin de notre aventure radiophonique Le Niger sur Kalangou. Le 1er mars, bah, début de mois. Et ce mois, vous le savez, c'est le mois de la femme. Nous profitons pour souhaiter bah, bon début de mois de la femme à tous nos collègues euh, du studio Kalangu. Bon début de mois à toi. Merci beaucoup, Oli. Bon début de mois à <laughs> Adam Adawaki, à notre technicien du jour, Seni Saka, et à toutes les femmes du studio Kalangu. Eh bien, toutes les femmes du Niger. D'ici là, portez-vous bien. Et nous, on vous retrouve le vendredi, n'est-ce pas Ah ouais, Olivier. Ok, bye bye, bye, bye les <laughs> gars.